le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio auditeurs, auditrices du studio Kalangou, bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 1er juin 2018. Le forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour décortiquer l'actualité. Au menu du forum de ce soir, l'arrestation et l'inculpation des deux membres de l'Union des jeunes Nigériens pour le développement de Zender pour avoir appelé le président de la République à briguer un troisième mandat, ce qui est contraire aux dispositions de la Constitution. À suivre les avis de nos confrères sur cette situation, une première au Niger. Autre sujet, les migrants ouest-africains continuent d'être refoulés en masse par l'Algérie vers le Niger. Au moins 400 ont été déversés à la frontière du Niger rien qu'au mois de mai qui vient de s'achever. Et cela sans compter les migrants que les passeurs abandonnent en plein désert sur le chemin de l'Europe via la Libye. Nous ferons le point dans ce forum. La Libye, justement, il en sera aussi question dans ce forum avec cette semaine un sommet exclusivement consacré à ce pays. C'était à Paris, en France. Nous verrons ensemble les analyses de nos confrères sur ce sommet pendant lequel les quatre principaux leaders du pays se sont prononcés en faveur d'élections libres en décembre prochain. Enfin, en sport, nous parlerons du tournoi international de football qui rentre dans le cadre du classement FIFA des équipes nationales. Le Niger, l'Ouganda et la République centrafricaine y prennent part. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de nos confrères euh, Elag Suleiman Mahmoudou, journaliste euh, au journal en ligne Niger euh, bonsoir Suleiman. Bonsoir. Et Roufaï Dandoua, journaliste indépendant avec nous. Bonsoir Roufaï. Bonsoir. Et Ousseini Issa, également journaliste freelance. Bonsoir Bonsoir. Merci à vous, d'avoir honoré notre invitation. Présentation à sainte Kouzi Mahmoudou. Mesdames et Messieurs, bonsoir, euh, chers auditeurs. Bienvenue dans le forum de la presse que nous ouvrons par l'arrestation d'Issoufou Bra et de Salis Ibrahim Azender le samedi passé. Ils sont tous deux membres de l'Union des jeunes nigériens pour le développement, IGDN. Ils ont, appelé le président de la République à briguer un troisième mandat alors que celui-ci est dans son dernier mandat. Lundi dernier, ils ont été inculpés et les charges retenues contre eux sont proposition faites et non agréées de former un complot pour détruire ou changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ou à s'armer les uns contre les autres. Les deux jeunes ont été par la suite placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Zender et seront jugés le 7 juin prochain. Alors, euh, la première question va euh, à vous, euh, Suleiman Mamadou. C'est la première fois que des citoyens sont arrêtés au Niger pour avoir formulé un tel souhait. Quelle lecture faites-vous euh, Oui, à ma connaissance, c'est la première fois parce que le premier cas qui s'est passé à, Zander, justement par le but de Dandoubaï et, ses gens, euh, bref, je pense qu'il faut dire la vérité. C'est une liberté d'expression, mais qui est euh, mal perçue parce que simplement le contexte et euh, aussi disons, le choix politique par le président en place ne permettait pas justement de faire de, tels, de tels, propos. je, me pense que, je pense, à mon humble avis, comme dirait l'autre, il faut décourager justement de telles initiatives parce que simplement nous avons connu un précédent. Euh, on a connu cela et on a vu comment nous ont amené à même liquider une constitution. Et euh, quand les gens sont rendent compte effectivement de ce passé, ils viennent dans une situation déjà un peu quand même euh, assez polémique euh, lancer ce truc que Vous avez l'effet que ça a fait la semaine que donne sur les réseaux sociaux, sur les, médias. Mm. J'avoue que moi, de mon point de vue, certes, c'est la liberté d'expression. Les citoyens peuvent euh, donner leur, opinion, mais il y a des limites, effectivement, à ne pas euh, franchir. c'est votre point de vue. Il faut décourager ces, ces, genres euh, de, propos. Non, je ne pense pas que ce, serait la meilleure solution de décourager des personnes qui ont émis leur avis, leur vue et nous sommes 20 millions de Nigériens, tout le monde peut dire ce, qu'il pense, mais cela ne veut pas dire que parce que deux personnes ou trois personnes ou 100 personnes ont dit quelque chose que ça va être pris en compte par la personne et vers qui c'est adressé. La personne en question peut sortir ou son porte-parole ou quelqu'un pour dire que non, nous, on va respecter l'ordre constitutionnel normal. On n'a pas besoin d'arrêter les, gens pour, pour, pour si peu. Moi, je pense que ça, c'est du zèle à haute trans qu'on a fait. On a. Et moi, pour moi, c'est même une violation de, de, la Constitution, et en ce sens qu'elle permet aux citoyens de, de dire ce qu'ils pensent. Seulement là, on a dit les charges, c'est que c'est là on avait vu que euh, les charges, parmi les, charges, on avait parlé de, que cela pouvait inciter les citoyens à s'armer les uns contre les autres. S'il vous plaît, dès l'instant où, où on les a interpellés, où on les a arrêtés, il faut qu'on trouve euh, un prétexte. Il faut qu'on essaie de qualifier ce pourquoi on les, a, interpellés. Moi, je pense qu'il n'y avait pas lieu. Il n'y avait pas péril à la demeure, comme on dit. Le, la comparaison que El Hajj a faite avec ce qui s'est passé avec, en Dubaï, et c'est comparaison n'est pas raison, comme on dit, mais moi je pense que ces gens qui ont fait ça, on a voulu faire eh, un grand tintamarre, c'est vraiment un tempête dans un verre d'eau. Eh, eh, Ousseini plutôt, Ousseini Issa, quel est votre avis par rapport à, cette situation, une première d'ailleurs pour, Suleiman, il faut décourager ce genre d'initiative. Pour Faye, ce n'est pas du tout Au-delà de la liberté d'expression qui est consacrée par les textes, moi je pense que les choses sont claires. Les choses sont claires et moi, je n'ai pas du tout apprécié le comportement de ces deux jeunes gens parce que j'ai suivi l'élément sur une radio, je crois, d'abord, dans un premier temps, je ne sais pas si c'est une radio, je crois. Mm. En tout cas, c'est une radio émettant. Mm. C'est sur cette radio-là qu'ils ont lancé l'appel. Mm. Mais moi, j'ai trouvé que c'est quand même déplacé. C'est déplacé, ils veulent se placer en précurseur. Et quelque part, inciter d'autres personnes à suivre, à emboîter, comme ça on va dire c'est les précurseurs. Moi je dis, mm. il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Les choses sont claires. C'est pas parce que tu peux tout permettre que tu peux inciter, parce que ça peut effectivement inciter d'autres personnes mm. à vouloir et ça fera effet tache d'huile. et ça va prendre une ampleur mm. qui ne pourrait plus être contrôlée. Aujourd'hui, le fait qu'on arrête net l'attitude, le comportement qu'ils ont eu à poser, le mm. fait qu'ils soient inquiétés par rapport à ça, personne demain ne va vouloir sortir dit ah il incite le président ou un tel à faire parce qu'il a travaillé hmm. le travail de ce pays là ça peut pas finir en 10 ans ça peut pas finir en 20 ans n'est pas en 30 40 ans que ça va finir les, États-Unis ne sont pas construits avec un seul président la France n'est pas construite avec un seul président il faut que ce soit clair Hussein, leur arrestation tombe comme une réponse sèche à tous ceux qui pensent encore que le président Issoufou ne partira pas en 2021 dans tous les cas on attend de voir mais tout, est été dit que Toujours est-il dit que la façon de faire là, c'est-à-dire cette façon de dire arrêtez, personne ne vous a mandaté pour aller dire non, il faut qu'il continue son mandat. Mm. Si chacun passe au pouvoir, on dit il faut qu'il continue parce qu'il n'a pas fini ses chantiers. Moi, j'ai dit <laughs> il n'y aura jamais d'alternance au pouvoir. dans un contexte démocratique, forcément, il faut qu'il y ait cette alternance-là. le Suleiman, euh, est-ce que cela euh, constitue une réponse En tout cas, on sait que beaucoup de gens euh, pensent encore que le président Issoufou fout, ne voudra pas partir en 2021. est-ce que cela je viens, de lire, je viens de sur Facebook l'élection la d'un confrère à l'international, notamment Rémi Nguno, qui dit voilà, pendant qu'au Cameroun, au Tchad, un peu partout, on, voudrait modifier le point on sanctionne ceux qui incitent à faire ce geste-là. Hmm. Parce que ça veut que vraiment, moi je le dis très clair, hein, la liberté d'expression est tout à fait fondamentale. Mais j'ai dit, il y a des limites à ne pas franchir. Hmm. Parce que, considérez qu'à un moment, euh, comment, euh, lorsqu'ils ont dit ces, propos malveillants, euh, vous avez vu la de l'opinion que tout ce qui est de, de, de, de, faire ce que le président voudrait effectivement donc euh, euh, faire euh, et vous savez très bien que nous sommes en politique. Hein. Hmm. Et, en politique, c'est pas de l'amusement. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Lorsque le président met un, honneur, en tout cas, sur le fait que lui, absolument, il fait du fait de passer le témoin à quelqu'un après son, le deuxième mandat, il a dit lui-même, en tout cas, pour le moment, et dans son discours, et dans ses gestes, rien ne prouve que véritablement il voudrait euh, rester. Donc, par conséquent, moi je pense que dans tous les cas, nous sommes aussi dans un état de droit. C'est un, il est face maintenant l'affaire au niveau de la justice. Le juge, le, le procureur a trouvé donc euh, un chef d'accusation. Maintenant, dans tous les cas, ça va, le, ça Nous pensons que tout simplement, en réalité, euh, pour cela, il faut aller décourager, en fait, euh, si vous voulez. Euh, les, et c'est ce qui peut fait. Maintenant, peut-être que moi, je pense que peut-être le jeudi prochain, on va les libérer pour dire que voilà. Mais en tout cas, l'appel qu'il a en cours, elle, risque gros. en tout cas les, les juristes. Hein. Rufai Dandoua, si, si aujourd'hui on a, on a arrêté net cette, initiative lancée par ces jeunes, cela voudra dire que, en tout cas, ceux qui pensent que le président Issouf ne voudra pas partir c'est Trump vous pensez que le fait d'interpeller ces deux personnes-là, si toutefois le président veut faire un exercice, va calmer les choses Je pense que non. Lorsque Ndoubé avait fait son, appel et depuis Zender, ce n'était pas ça qui était à la base du Tazarti au Niger. C'est parce que quelque part le président voulait le faire. S'il n'avait pas voulu le faire. On a dit que demandé cela. C'est ça vraiment. Ah, c'était un Si le président ne voulait pas le faire, hmm. il ne le fera pas. Le président de la République actuelle l'a clamé haut et fort. Ah, et, j'ai vu récemment aussi, les gens ont, fait ressortir la, déclaration de Bazoum. Pour, pour l'instant, comme l'a dit El Hajj, rien ne, rien ne montre, rien ne prouve que le président a des intentions. On n'est qu'à la deuxième année, il nous mm-hmm. reste encore trois ans. Vous voyez, mm. c'est là où je vous dis le fait de les arrêter. Il reste encore trois ans au président de la République. Si demain, toutefois, le président veut le faire, on voit à envoyer d'autres personnes pour faire une déclaration et ça va commencer comme ça. Et le jour-là, ces gens-là ne seront pas interpellés. Moi, je pense que ça, c'est on a voulu vraiment faire un zèle pour prouver aux gens qu'on est mais qu'on est légaliste alors qu'on n'avait pas besoin de faire ça. Bien. Et nous passons à autre chose. Les migrants ouest-africains, je le disais, sont régulièrement refoulés par l'Algérie vers le Niger. De septembre 2017 à aujourd'hui, environ 10 000 migrants, dont des Nigériens et d'autres ouest-africains, ont été refoulés euh, d'Algérie. Et au moins 400 personnes ont été refoulées au Niger dans le mois de mai. Ainsi, le 18 mai, 242 refoulés sont arrivés donc à Agadez épuisés à cause de conditions difficiles euh, de transport dans des camions. Euh, encore le 20 mai, une autre vague, cette fois-ci de 264 personnes, est arrivée à Gadez avec une femme décédée à l'entrée de la ville. Tout cela sans compter les migrants que les passeurs abandonnent en plein désert sur le chemin de l'Europe via la Libye. Samedi passé, ce sont 80 migrants qui ont été sauvés dans le désert nigérien. Euh, je vous propose à propos de, suivre Guy Sepe Lopreté, chef de mission de l'Organisation internationale des migrations au Niger, OIM. Depuis septembre 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a environ 10 000 migrants qui ont été refoulés de l'Algérie, de toutes nationalités, donc les Nigériennes et aussi d'autres nationalités de l'Afrique de l'Ouest. Les opérations se déroulent à la frontière avec l'Algérie, vers Asamaka. Euh, Assamaka. Ce week-end, on a retrouvé 82 migrants vers l'arbre du Ténéré, donc euh, sur la route entre Agadez et Dirkou, donc vers la Libye, des migrants qui essayaient de partir Malheureusement, deux migrants ont été retrouvés déjà morts dans les déserts, un Ghanéen et un Nigérien. Les autres 80 sont aussi du Nigeria et Ghana et maintenant sont à Gadez euh, dans le centres de transit euh, de l'OIM. On a aussi des femmes et des enfants, des mineurs non accompagnés, mais la majorité sont des hommes. Quand il y a des femmes, très probablement sont des victimes de traite. Dans quelles conditions ces migrants ont été retrouvés Très mauvaises conditions. Presque tous les migrants sont traumatisés mais physiquement aussi, ils n'ont pas mangé assez. Ils ont fait le voyage sans eau. Donc, euh, quand il s'agit de la frontière algérienne, normalement, ils doivent marcher 10, 15, euh, parfois 20 km dans les déserts. Donc, imaginez-vous comment ils arrivent euh, à la frontière avec des bébés. Et dans les centres de transit, Arlit, Dirkou, Agadez, même ici à Niamey, on en a trois. Et les premiers jours sont pour reprendre un peu les forces. Donc, ils mangent trois fois par jour. Les psychologues sont là pour les aider. Ces migrants passent par Agadez ou bien ils empruntent d'autres voies de contournement il y a les deux. Il y a d'autres routes, Tawachin, Tabaraden, parfois Ingal. Donc, ça passe par Agadez, ils vont directement vers Asamaka et l'Algérie. De l'Algérie, il y a deux mouvements qui sont en train de passer. Un, c'est les Nigériennes qui reviennent, qui sont rapatriées. Il y a beaucoup de femmes aussi, les enfants de la zone de Kanché, Zander, mais aussi Tawa. Et à partir de décembre 2014, 31 000 Nigériens sont rentrés. En 2017, 7 000 personnes ont bénéficié de l'appui à l'aide volontaire, donc euh, janvier-décembre 2017, vers tous les pays de la CDAO, donc 15 pays, Nigeria jusqu'à toute la côte et après Gambie et Sénégal. Janvier-mai 2018, on a déjà 8000 retours volontaires. Donc euh, dans les premiers 5 mois de 2018, on a déjà dépassé les retours qu'on a fait dans toute l'année en 2017. Giuseppe Lopreté, chef de mission OIM e Niger, propos recueillis par Adama Dawaki. Alors, euh, Ousainissa, qu'est-ce qui cloche selon vous dans la gestion de la migration et qui fait que le nombre de refoulés ne fait qu'augmenter au lieu de baisser oh, mais avant peut-être d'amener quelques éléments de réponse par rapport à votre question, je tiens à signaler que j'ai constaté ici juste à côté mhm. Apparemment, c'est des migrants dans, une ah, maison là. À côté du studio Kalangu. À, côté du studio Kalangu. Ils étaient nombreux dehors, euh, machin. Quand je les ai regardés, apparemment, c'est tous des étrangers. Mhm. Et même leur tenue vestimentaire, euh, <laughs> ça m'a un peu frappé. J'ai dit, mais <laughs> vous avez des voisins migrants. c'est le, cas. Oui, voilà. Mais maintenant, c'est quoi Vous savez, chaque fois qu'on fait des interdits, ça suscite les gens à vouloir contourner ces interdits-là et ça va pousser les gens à poser ce qu'on ne veut pas qu'on fasse, ce que les autorités. On est dans cette situation-là. On a cru, on a pensé qu'en prenant cette loi, euh, comme on avait dit, 2015, 2015 euh, là, la loi répressive contre la, migration, contre les pratiques, contre les trafiquants, Aujourd'hui, de nouveau couloir de passage, parce que la dernière fois j'ai suivi Bazoum, je crois, il disait que c'est fini c'est plus possible parce que tout simplement les passages étaient contrôlés. Il est très difficile que les, passeurs parviennent à, échapper au mail. Mais ce qu'il vient d'expliquer, <laughs> le représentant de, l'OIM, ça prouve tout à fait le contraire. Et à chaque fois, ils arrivent quand même à contourner les postes de contrôle. Pour se rendre, à en Algérie ou en Libye. Voilà, ça c'est le premier aspect. Pour ceux qui veulent s'en aller, ils passent par des méthodes de contournement, des voies peut-être qui ne sont pas connues par les autorités. Le désert est très vaste. Et le, deuxième aspect, quoi, le deuxième aspect, c'est sur les retours. Les retours, non seulement du côté de l'Algérie, c'est quoi qui a fait ça C'est qu'on a signé des accords avec l'Algérie pour dire des refoulés nos, concitoyens qui vont aller là-bas, qui vont en Algérie, Mandi. Mais au lieu de se contenter simplement de nous renvoyer nos, compatriotes, quand ils prennent toutes les nationalités confondues, on les déverse sur nous. Alors, euh, comment est-ce que vous analysez ce comportement oui, mais, le comportement, l'attitude, l'Algérie s'est dit bon, ben c'est des noirs, c'est des peaux noires, mais pourquoi on va les ils garder sont les mêmes. non, mais ils n'ont font pas de distinction. Ils font pas de distinction, ils déversent. Tout le monde, ils se disent non, c'est des noirs. Allez-y là-bas. Allez. On les prend, on les amène, on les dépose à une dizaine, quinzaine de kilomètres. C'est à pied qu'ils arrivent à, à, avait dit, qu'ils entrent en territoire nigérien. Mm. Et c'est le même phénomène au, niveau du côté de la Libye. Aujourd'hui, du côté de la Libye, c'est surtout les Soudanais, les Sud-Soudanais, les gens de Darfour. Mm. Ils sont en train de venir massivement. Aujourd'hui, la région d'Agadez, <laughs> quelque part, je me dis, c'est déjà une région qui est quand même du point de vue des, ressources, c'est une région qui, est déjà sous pression. Mm. Avec tout ce bon monde-là qui se déverse chaque jour sur cette région, mm. ça devient de plus en plus compliqué. Alors, Suleiman Mamadou, euh, comment vous, vous voyez cette gestion de la migration euh, moi, euh, du jour au lendemain, les, refoulés vers l'Algérie ne font qu'augmenter. je constate que c'est un phénomène mondial et moi, euh, je pense qu'il faut voir ça à l'échelle euh, mondiale. La façon de gérer le problème, en tout cas, c'est un de mon point de vue. Euh, parce que vous voyez, malgré tout ce qui est en train d'être fait, et par les pays occidentaux qui donnent les moyens pour bloquer ces gens, et par nos pays, la volonté de partir de ces gens montre que ces politiques-là ont des limites. Euh, cest à que la volonté, on en a vu euh, avec le cas Mamoudou Gassama, en fait, le débat que ça a provoqué. Mhm. Euh, en fait, c'est de dire que l'humanisme dont je pense ces, grands pays mhm. doivent en tout cas faire montre, ce n'est pas tout simplement. Lorsque dans, dans, un monde, on voudrait dire en tout cas la liberté de circuler des personnes et des biens, et que lorsque vous demandez aux gens de rester chez eux. Vous voyez, ça biaise un peu les principes simplement euh, donc euh, universels hmm. du, rapport de vivre ensemble. Hmm. Maintenant, euh, par rapport à la, réalité, je constate que, en tout cas au niveau de, de notre pays, qui est devenu maintenant donc en fait souvent le, le, le, passage aller-retour. donc il y a on dit officiellement on lutte contre la migration clandestine. Clandestine. Clandestine. Euh, mais on se rend compte que, euh, comme on l'a dit, il s'agit effectivement que c'était le phénomène aujourd'hui. J'ai comme l'impression notre pays est en train d'être envahi par des gens qui viennent non pas pour continuer, mais pour venir profiter des soins de l'OIM. Et ça, c'est assez inquiétant. On a vu aujourd'hui, il faut, on va certainement faire des, investigations là-dessus. Il y a des gens qui viennent ici à Namé pour aller s'inscrire. Pas pour, comme, les gens de l'Occident, ils vont venir chercher comme des réfugiés mais aujourd'hui qui viennent à l'OIM s'inscrire comme réfugiés simplement parce qu'il y a des traitements qui, liés à cela. Et ce risque peut-être que c'est leur droit qu'on euh, leur empêche de, partir, mais s'il y a des l'argent à, avoir, c'est en tout cas assez inquiétant. Hmm. On va vraiment, pour ne pas affirmer des choses sans, vérification, hmm. on va aller vérifier exactement euh, de, quoi il s'agit. Mais à Niamey, en tout cas, on se rend compte de et l'attitude, euh, excusez-moi de vous interrompre, l'attitude de l'Algérie qui ne fait que euh, renvoyer des migrants, bon, que ce soit des Nigériens ou comme, des, comme des euh, l'a dit, on voit simplement le pot noir, il faut, donc on pense que c'est des Nigériens. Donc on... <laughs> <laughs> non, je veux dire que pour donc, il a dit lui-même, le gars de l'IEM, en mm. fait, il y a des Nigériens, il y a donc des un peu, des Ghanéens, tout ça. Mais vraiment, je pense qu'au niveau systématique, en tout cas, au niveau de... Et à un moment, j'ai entendu Bazoum tenir des propos à dur dire, en tout cas, peut-être à l'Algérie, vraiment, de ne pas des gens qui ne sont pas des, des, Nigériens. Bref, ça ne sera euh, pas été tenu compte. Rufai Dandoua, euh, quelle lecture faites-vous de la gestion de la migration aujourd'hui et puis euh, euh, celle de, l'Algérie. On ne peut pas, vouloir une chose et son contraire. Regardez. Euh, Qu'est-ce qu'on veut et c'est quoi le contraire on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous voyez, ces mêmes pays qui financent les, les, les, organismes tels l'OIM, ce sont ces mêmes pays qui imposent dans les pays africains ou les pays tiers-mondistes des, des, des, politiques euh, d'ajustement structurel qui sont dangereuses pour les populations. Ce sont ces mêmes pays qui imposent des dirigeants et dictateurs pour euh, les populations euh, des pays du tiers-monde, ce sont ces mêmes pays qui viennent s'aimer des guerres dans, les pays du tiers-monde. Et ce sont ces mêmes pays qui font la promotion avant-hier, par exemple, euh, l'a dit, de Mamoudou Gassama qui a sauvé un enfant et qui aujourd'hui tout d'un coup a été reçu par le président euh, français, il a été naturalisé français, il a eu un travail. Est-ce que tu penses que cela peut pousser les autres à vouloir y aller Tu vois, c'est une chose, vouloir une chose de côté. Quand tu vois ça, tu te dis, ben, et eh, pourquoi pas moi Moi, ça peut m'arriver. Donc, ce sont des choses qu'ils sont en train de faire et maintenant ils veulent euh, euh, empêcher à ce que les, la plupart bon c'est des noirs hmm. qui, vont qui vont qui veulent empêcher des noirs de partir en Europe ou dans d'autres pays pour e-, e-, espérer un Eldorado. Moi, je mm. pense que lorsque vous, voulez stopper tout cela, il faut créer les conditions. Ce n'est pas en injectant de l'argent, puisqu'aujourd'hui, on a compris, au-delà même des gens qui partent s'inscrire, par exemple à Agadez ou ici euh, euh, à Niamey, il n'y a, même pas que eux seulement qui ça profite, cet argent ça profite à, tout le monde. La migration aussi vieille que l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, c'est le, le secteur où c'est le, c'est la chose la plus porteuse. Avant, par exemple, c'était le sida, avant, c'était le paludisme. Aujourd'hui, c'est la migration. C'est là-bas que tout l'argent des Occidentaux. Et, et, quelle lecture vous faites de, l'attitude de l'Algérie Ramener les Noirs. Mais pourquoi les ramener au Niger C'est parce qu'aujourd'hui aussi, le discours de nos dirigeants, à un moment, euh, était favorable à, cela le Niger était devenu comme une sorte de passoire, comme une sorte de transit pour tous les, les, migrants, quand vous voyez, vous partez dans les gares, vous allez voir des Ghanéens, vous allez voir des Nigériens, vous allez voir toutes toute nationalités qui passent par le Niger. Qu'est-ce qu'on fait On ne les empêche pas de, partir. Au contraire, on leur donne des endroits pour dormir dans ces gares et le lendemain ou après, ils vont, transiter par le Niger pour partir à Libye ou en Algérie. Donc c'est parce qu'à un moment donné, on avait tenu des propos qui portaient sciemment pour cela et aussi on leur avait donné la possibilité de transiter par le Niger. Il y en a qui pensent aussi que euh, l'Algérie ne pouvait pas faire autrement parce que de l'autre côté, au Mali, euh, le côté nord euh, est instable, donc on ne pouvait que les envoyer par là. Oui, mais qui a créé toute cette instabilité aussi c'est une grosse question. <laughs> Nous passons au troisième euh, sujet de, ce forum. La Libye, je le disais tout à l'heure, un sommet international sur le devenir de ces pays s'est tenu sous, l'égide des Nations Unies à Paris, en France. Euh, selon le journal Jeune Afrique, la priorité pour Paris est d'assurer la stabilité régionale, de lutter contre les trafics euh, de migrants et les trafics d'armes qui nourrissent la prolifération des groupes terroristes au Sahel. Les quatre leaders principaux de la Libye, à savoir le maréchal Khalifa Haftar, le premier ministre ministre Faez Al-Sarraj, le président du Parlement Aguila Salah Issa et le président du Haut Conseil d'État Khaled Al-Misri se sont tous engagés à ce que l'élection présidentielle et les législatives aient lieu le 10 décembre de cette année. Ils n'ont pas signé la déclaration, chacun voulant pouvoir présenter euh, le texte à ses mandats ou son clan en Libye avant de le paraffer. Euh, alors, Rufai continue. Pensez-vous que la Libye sortira de, de, sa, crise pour un retour à la paix si jamais ces élections euh, se tiennent en décembre Vous savez, l'histoire nous a démontré ou nous a prouvé qu'à chaque fois que les leaders arabes se regroupent pour euh, prendre des décisions, à la dernière minute, ça capote. Dès que tu rentres chez toi, tu consultes tes gens, tu dis Bon, ça, ça ne m'arrange pas. Ça a toujours été comme ça. Tous les pays du Golfe, les grands pays et même... Sauf que là, il s'agit de, citoyens de même pays. Oui, mais... quatre. Oui, ce sont, ce sont aussi des Arabes. Et vous pensez que et ça... ça si les Occidentaux voulaient qu'il y ait une paix, une tranquillité en Libye, ça aurait déjà été fait. Ce n'est pas parce qu'ils le, pas parce que le voulait que fait. Et, et maintenant, c'est le contexte qui, qui l'impose aussi il faut euh, tenir cette conférence, il faut que chacun se, positionne. Mais moi, sincèrement, la question de la Libye, euh, qui est tiraillée de toutes parts par des, des, fractions euh, rivales, tant que je ne vois pas les choses, alors tant que je ne vois pas les élections se dérouler, je ne, je ne croirai jamais à, ce qu'ils ont dit à Paris, à ce qu'ils ont dit un peu partout dans le monde, aux, rencontres avec nos chefs d'État. On dit qu'il faut faire le service après-vente. Mais c'est les mêmes personnes. On se rappelle lorsque il y avait eu la guerre en Libye au temps de Sarkozy, certains pays africains, dont le Niger, avaient euh, tiré la sonnette d'alarme. Mais l'Union africaine avait cautionné cela à l'époque. Aujourd'hui, que les gens reviennent pour dire non, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je pense que tout cela a mm. été fait avec l'accord de nos chefs d'État africains et les puissances occidentales. Parce que avec leur accord ou plutôt avec leur, euh, euh, négligence, on va dire. Il n'est pas de négligence. Il mm. l'a accepté Bon, peut-être qu'il ne pouvait rien faire aussi. Mais vous savez, c'est la, géopolitique mondiale et on sait comment ça se passe. Donc, des fois, on ferme les yeux. Des fois, on ferme les yeux. Et, euh, quel est votre point de vue à ce sujet, Elal Suleiman Mahmoudou Est-ce que vous pensez que vous, vous avez euh, confiance que la Libye sortira de la crise si jamais ces élections prévues pour décembre arrivaient à être euh, organisées Je commencerai d'abord par exprimer vraiment une j'allais dire, euh, sympathie au peuple libyen euh, qui est victime d'une injustice euh, à l'échelle internationale, un complot international. Voilà un pays qui n'était pas endetté, un pays qui vraiment sous Kadhafi, aujourd'hui, n'est pas seulement les Libyens. Nous regrettons en tout cas aujourd'hui parce que l'économie au niveau de notre pays, dans les villages, c'est un les en tout cas, les gens vivent de cela. Euh, bref, euh, on a vu, vivez de cela, mhm. euh, on a vu vraiment comment ce complot a eu lieu, pas seulement même en Irak. voyez un peu comment le monde est injuste et cela, on a fait un silence. bref, on voit aujourd'hui, peut-être que Macron voudrait faire bonne conscience face à la situation. Aujourd'hui, dans tous les cas, Sarkozy, est a tapé par l'histoire. Euh, disons que euh, c'est assez regrettable. Moi, maintenant, par rapport à votre question, mm. je ne suis pas tout à fait euh, optimiste parce qu'il y a des détails qui n'ont pas été abordés au niveau de la rencontre. Et comme dirait l'autre, le diable, est dans les détails. Par exemple, est-ce qu'on va laisser, par exemple, le fils de Kadhafi compétir. Parce que quand même, il faut dire, la, vérité, c'est une réalité. Ce, jeune homme, Samuel, est très populaire. Et si on dit démocratie, effectivement, il va falloir euh, sur le national, en tout cas, pour pardonner, considérer qu'il faut laisser, en tout cas, les Libyens qui peuvent organiser le pays, en tout cas pour sauver ce qui peut l'être, il faut le faire. Mm. Et je n'ai pas entendu justement ces aspects de, la question. Parce que sur ce qui est connu officiellement, les Occidentaux voudraient en tout cas confier à la CPI le fils de Kadhafi. Donc, euh, c'est vraiment entre, autres détails. Mm-hmm. Mais maintenant, pour la question, il faut de la vérité. Le chantier est énorme. Parce qu'aujourd'hui, la Libye est laissée au groupe terroristes, en tout cas, qui maintenant, avant de mettre l'ordre sur ça, qui est autre chose. Quoi. Ousseini, mm. euh, c'est votre point de vue, euh, la Libye, c'est que vit la Libye euh, semble être l'œuvre d'un complot international. Les Occidentaux, d'abord, c'est des hypocrites. La Libye était un pays viable. La Libye n'avait aucun problème. En Libye, les populations, j'ai un document là, je peux, vous le, je peux le partager avec vous c'est que les Libyens, les conditions de vie des Libyens, la Libye était positionnée quatrième dans l'indice de développement. On se lève un bon matin, on dit non, il n'y a pas de démocratie. On manipule quelques individus au niveau d'une région, on vient, on détruit, on pille le pétrole. Et aujourd'hui, on dit non, il faut stabiliser la Libye, il faut créer des conditions pour organiser des, élections. élections. Aujourd'hui, c'est des factions qui gèrent la Libye. Il y a combien de chefs qui sont là Vous pensez que ils sont d'accord qu'il y ait des élections pour qu'on dise voilà le président et qu'ils vont renoncer à tout ce qu'ils ont comme privilège et avantage. Ils ne vont jamais le faire. De la même manière, en Irak, on a délibérément tué Saddam, parce que tout simplement, Saddam gérait le pays, il redistribuait normalement les ressources à tous les... Doit, Oh, il fallait faire ça à Libye, parce que la Libye avait des de créer une situation où les Africains allaient se retrouver, créer les États-Unis d'Afrique quelque part, et ils voyaient le nouveau. Aujourd'hui, ils vont organiser, ils vont aider à organiser des élections en décembre. En décembre, quand est-ce qu'ils vont pacifier le sud libyen Et même pas le sud, même l'est libyen, un peu partout. Aujourd'hui, en Libye, des gens qui n'ont pas été capables d'aller libérer des gens qui sont détenus en esclavage et qu'on vend dans des cases c'est eux qui peuvent aller organiser des élections là-bas. Seulement, il y avait les chefs, quatre, euh, les, quatre chefs, euh, leaders, euh, mais leaders là ils, ils contrôlent des zones. Ils contrôlent des zones. Dans le sud, il y en a qui contrôlent aussi ce sud-là. Le sud fait partie de la Libye, non Il ne faut pas parler encore d'élections. Il faut créer d'abord, dans un premier temps, les conditions d'unification de ce pays-là. C'est après qu'on peut peut-être projeté dans le temps des élections. Mais comme ça, de tout de go, les gens vont se retrouver à Paris pour dire on est venu, on va créer les conditions. Il aurait fallu ne pas créer les conditions de destruction de la Libye. Ça allait être des économies. Vous savez combien d'années que <laughs> l'Irak a été cassé Est-ce que la paix est revenue encore en Irak En dehors de l'Irak, il y a combien de pays dans le Moyen-Orient là où il n'y a plus de paix euh, tout, ça, c'est les blancs, c'est les occidentaux, parce qu'ils ne veulent pas que. Ah, avec la complicité de nos chefs d'État, bien comment voyez-vous la position de la France qui se présente comme l'acteur principal de, ce rapprochement entre les acteurs libyens Mais c'est la France d'abord qui a suscité, qui a demandé aux autres de venir, on va casser la Libye. C'est pas la France avec Sarkozy. Aujourd'hui, c'est une question de. Ce n'est plus le même acteur. Non, non mais ce n'est plus le même, mais c'est la même politique. C'est la même politique qui est menée. Non, <laughs> ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Il n'est jamais trop tard pour, mieux, mais pour bien d'accord, mais bien faire quoi Comment À l'époque, oui, à l'époque, on avait tué l'ambassadeur des États-Unis à Libye. vous voyez, il fallait créer toutes les conditions pour attaquer la Libye. Puisque tuer un un citoyen américain, à plus forte raison, un ambassadeur, attaquer l'ambassade qui représente les États-Unis d'Amérique dans le pays, il fallait donc par tous les moyens créer les conditions pour attaquer ce pays. Obama, à l'époque, on savait que ce n'était pas un, un, un, guerre mais il avait laissé faire. Il avait regardé Sarkozy et, le, Tony. C'était Blair à l'époque. C'est Blair à l'époque Je ne pense pas. Hein, je n'étais pas, pas Blair à l'époque donc, il avait laissé Sarkozy et le Premier ministre britannique à l'époque faire la guerre en fermant les yeux. Mais aujourd'hui, lui-même, il est fautif. Il n'y a pas que Sarkozy. C'est parce que Sarkozy a voulu être un, leader sur le plan international. Donc, il n'y a pas que. Il y a, tous ces gens-là. Et les pays encore africains qui ont cautionné cela. Aujourd'hui, en partant à Paris, pour faire quoi Comme l'a dit Elhaï Suleiman, on n'est pas allé en profondeur voir tous les problèmes. Décembre, c'est quand C'est dans combien de mois c'est bientôt. en <laughs> cinq mois, vous pensez qu'on peut faire élection, même dans Niamey même Bien. <laughs> <laughs> Euh, la position de la France, on a vu quand même euh, une, France, engagée euh, pour, pour, pouvoir réussir ces, ces rapprochements. moi, quand Parvenir à des élections. Hussein disait que c'est le principal acteur d'ailleurs, mais est-ce qu'il n'est pas. on dit qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Euh, quand j'ai dit justement, Macron voudrait se faire une bonne conscience, euh, c'est qu'ils sont conscients vraiment du, tort qu'ils ont euh, fait contre, contre ce peuple. Mais comme on l'a dit, l'autre, leur logique, c'est d'avoir leur, intérêt. ils ne peuvent pas de voir en tout cas, la, misère d'un peuple. Mais le plus important, c'est qu'il faut de la sincérité de la relation internationale. il faudrait que les nôtres, en tout cas, on a vu le président, le président du Niger, euh, du Tchad. En tout cas, il faut que vraiment, et on sait effectivement, particulièrement Déby et sous en tout cas leur position sur la Libye, euh, c'était de considérer que véritablement il faut, il faut tenir compte des intérêts de ce peuple-là. Mais je pense que euh, la leçon, c'est qu'il faudrait éviter vraiment de tels crimes. Hmm. Vous ne pouvez pas, en tout cas, avec des critères objectifs, en Afrique et dans le monde, le pays, la Libye, c'est un pays en matière de bonne gouvernance, en tout cas, un modèle. Donc, pour, sur quelle base vous allez venir, en tout cas, aujourd'hui euh, on, on, a, vu aujourd'hui les, Libyens qui, ne partaient pas avant en Exode, en tout cas, chercher l'argent. Aujourd'hui, dans le monde, on rencontre des Libyens, en tout cas, parce que simplement la situation est compliquée. Eh mm. ben, bref, euh, vraiment, c'est bien dommage. Nous nous disons que oui, euh, parce que nous savons que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas avec une, une, réunion en France qu'on va nous convaincre. Non on va voir comme dirait l'autre, euh, à l'épreuve des faits, on va apprécier. Mais je constate que vraiment notre inquiétude, en tout cas, cinq mois, euh, il faudrait vraiment procéder, aller à l'essentiel, à savoir créer les conditions d'une paix vraiment durable absolument avec une autorité unique vraiment euh, à ce moment-là on pourra aller aux élections mais vraiment pour le moment nous sommes vraiment un peu le pays en tout cas si on veut comme on l'a fait un moment en Irak pour essayer de pacifier le pays mais peut pas le faire il y, a, trop d'armes qui circulent dans ce pays là donc ce n'est pas facile effectivement et nous passons au dernier sujet en sport Niamey accueille depuis dimanche dernier euh, 20, dimanche 27 euh, mai un tournoi international de football qui rentre dans le cadre du classement FIFA des équipes nationales. Le Niger, l'Ouganda et la République centrafricaine y prennent part. À ce jour, trois matchs euh, ont déjà été euh, disputés. Niger-Centrafrique euh, dimanche avec un match nul de trois buts partout. Ouganda-Centrafrique mercredi dernier soldé par la victoire de la Centrafrique un but à zéro. Plutôt, autant pour moi, ces deux matchs. Euh, nous allons commencer par le journaliste sportif Rufai Dandoua. C'est votre spécialité. Nous commençons par vous. Et comment vous analysez euh, ce C'est un tournoi qui a été organisé par le Niger avec euh, l'Ouganda, oui, la, la Centrafrique. C'est vrai, c'est des pays qui sont très mal classés. Centrafrique, c'est un pays en guerre. Hmm. L'Ouganda aussi. Ce ne sont pas des pays de football dans tous les cas. Mais nous savons. le Niger nous-mêmes, on n'est pas un pays de football. Sauf que nous, ça va nous permettre aussi, récemment, on va rencontrer l'Égypte. Vous voyez donc le, le de, mots, ça ça va nous permettre d'avoir de, la compétition, de se préparer et, voir qui et qui sont disponibles, sont aptes à représenter le Niger au moment venu. Mais, on constate aussi que la bonne volonté est, qui est là, mais on se rend compte qu'il y a un, des amours de. Seulement, on a vu que le premier match s'est soldé par un match nul. Trois buts, trois buts partout. Oui, trois buts. Et le, but du football, c'est de marquer des buts, c'est de gagner. Il faut gagner par euh, n'importe quel score. Mais moi, je pense que tout ce qu'on peut tirer de ça, c'est la mise en jambe, comme on dit, mais aussi qu'il y a quelque part un désamour du, du public nigérien qui ne part pas au stade parce qu'il n'y a plus de spectacle. Les gens sont attirés par le beau jeu, par les spectacles. Lorsqu'il n'y a pas cela, personne ne vient. Et aussi, ça coïncide avec un moment qui n'est pas favorable, c'est la période de, de Ramadan. On n'est pas habitué à aller regarder les matchs de nuit. On n'est pas et habitué à, sortir après aussi le, ramadan, vous voyez ce que c'est. comment vous analysez les performances du Niger Est-ce que du MENA, euh, euh, du, du Niger en, réalité, je n'ai pas, été, voir les matchs, j'ai suivi les, commentaires. Hmm. C'est vrai, par exemple, Moussa Mazou n'est pas là et Kalala n'est pas là, il y a que les joueurs locaux qui sont là, il y a quelques joueurs comme Onkoi, comme Sissé qui sont, qui sont venus. Et bref, ça nous permet de les voir, de les juger et voir à quel niveau ils sont et est-ce qu'ils sont prêts à affronter des chances comme celle face à l'Égypte. Euh, alors euh, qui voudra s'élancer Hussein Issa mais Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire hein, là-dessus. <laughs> le seul constat que je veux faire, oui. <laughs> Euh, vient de dire, ce pas des équipes, comme on avait dit, des, équipes phares. C'est des équipes. Mm. C'est quel pays quel Ouganda, pays et, et Centre. Bon, ben, un pays en guerre, machin. pour aller rencontrer l'Égypte, vous savez, il non, non, il, faut être sérieux. Il faut, non, il faut être sérieux. Vraiment. Parce que moi, honnêtement, au-delà de toute autre considération, j'ai dit il y a un problème pour le football nigérien, il faut le, il faut le reconnaître. Il y a tous ces pays qui nous, entourent, le Burkina Faso, le Mali, le Mali à l'époque, dans les années 80, on avait une équipe valable. Mhm. Mhm. Euh, c'était une fierté pour le Niger. Mais aujourd'hui, <laughs> l'évolution de, de humaine, c'est en dents de si. Oui, mais quand vous regardez. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Il n'y a, jamais de constance où on dit on est arrivé à ce niveau-là, mhm. on, va, on va progresser. Souvent, c'est même par coup de hasard qu'on arrive à certains niveaux et les gens acclament dès qu'on se prend notre machin, <laughs> c'est la dégringolade. Euh, euh, aujourd'hui, même ces pays, par exemple, le, Burkina, le Bénin, le Mali, personne ne veut jouer de rencontres officielles avec nous, des rencontres amicales avec nous. On est dans ce qu'on appelle les journées FIFA. Aujourd'hui, il, y a des matchs, par exemple, il y aura Israël-France et aujourd'hui, par exemple. Mais vous ne voyez pas le Niger jouer face à un groupe, grand pays parce qu'on se dit pourquoi inviter le Niger Parce que même si on joue contre le Niger, et ça ne montre pas notre réel niveau. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'il faut se, réunir entre des pays. Certes, c'est bien, mais c'est des pays qui n'en valent pas la peine. Excusez-moi Il, fallait se mesurer à d'autres grands joueurs. Oui, vous, avez, vous, il y a ce que les gens ne comprennent. Par exemple, quand aujourd'hui la Côte d'Ivoire chercher un match avec le Niger et on, on on se dit bon, qu'est-ce qui va se passer Peut-être la Côte d'Ivoire va prendre les billets d'avion, et même s'il y a des joueurs qui vont venir de la France, c'est la mm. Côte d'Ivoire qui va prendre mm. leurs billets d'avion. à la fin du match, on va vous donner quelque chose. C'est comme ça que ça se prépare les mm. matchs amicaux. On calme les gens. Vous... Et on se dit, bon, on va jouer face au Niger. C'est un grand pays qui fait peur. Mais aujourd'hui, on ne fait pas peur. À qui on fait peur Donc pourquoi on va nous appeler pour jouer des matchs euh, euh Elhaj Suleiman, vous avez quelque chose à ajouter sur. Euh, bon, je, constate, comme l'a dit Issa, nous ne sommes pas constants en matière de football. Donc euh, je pense à en ce sport en général, il va falloir pas sorcier, c'est le moins que les autres pays ont mis, le moins, et le management en tout cas de la politique du sport. Je pense que c'est ça qu'il faut. Donc, euh, au niveau de l'autorité, en tout cas, il va falloir créer les conditions, et particulièrement au niveau de la foot, parce que quand, malgré tout ce qu'on dit, il y a des des griefs sur lesquels, en tout cas, euh, le management du football nigérien, en tout cas, ne semble pas être euh, euh, transparent. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes et au niveau du ministère et au niveau du, donc, de la FNUFT. Il va falloir vraiment que, si on veut vraiment gagner, parce que je pense que on parle d'une volonté politique pour accompagner le sport, mm. mais on ne voit pas cela au finish chaque fois, on fait feu du paille, quoi. On va rencontrer la Tunisie et l'Égypte après la Coupe du Monde. On va rencontrer la Tunisie et l'Égypte qui, vont jouer la Coupe du Monde après la Coupe du Monde. Vous voyez Bien. Nous allons souhaiter quand même bon vent à nos, à nos, national. Euh, fin du forum de la presse de ce soir, euh, nous étions en compagnie de Suleiman Mamadou, journaliste euh, au journal en ligne Niger Inter, Rufai Dandoua et Hussein Issa, tous journalistes indépendants. Alassane Kouzi Mamadou à la présentation, Isaka a assuré la technique. N'oubliez pas vos forums en Hausa et en Zarma du samedi et dimanche de 17h15 sur la participation de la femme nigérienne à la conférence nationale du 29 juillet 1991. Bonne soirée.